Nous avons le présidentialisme l'hyper présidentialisme dama ne président Sénégal dañu avons dañu ses pouvoirs c'est parce que Maki a trop de pouvoir qu'il fait ce qu'il veut et c'est inacceptable et c'est insupportable Nous, avons nag andi fi FC 25 F24 à son élection à FDD nous ñu ba effectivement xeex bi fu mu toll léegi foog ñu boole suñuy de résistance mu me dis fàttali M23 M23 ni le melon politique politiques, le politicien. politiciens yi ñooñu ñëpp ñoo société civile bi créé M23 Je me xalaatuma à l'époque 12 ans après on est au même pied au même point daanaka parce que nous ngi pour que Macky Sall un troisième mandat parce que wax ji yëpp coup d'état bu mu le 3 février la muy laam-laamee bëggul dégg conseil constitutionnel la mu bëgg am un troisième mandat glissant moi, daw ay mois ay mois ay mois te nag ñun mënuñu ko nangul nangul Abdoulaye Wade nous ko nangul Macky Sall kon et le conseil constitutionnel que ñu gërëm leen nous gérons population sénégalaise. Parce que le 3 février, beaucoup d'États à ah, mai, les gens se sont mobilisés. Tahaou ne lit du continent. Conseil constitutionnel nous degrel comme moi en fait Daniel de Kiré Macky Sall avec proposition de loi pour de l'Assemblée nationale. Quand le Conseil constitutionnel, il y a une que les sept juges ne craignaient rien du tout, le peuple est avec vous. Ce que vous avez dit, c'est une décision, ça a force de loi il faut que Macky Sall organise l'élection avant le 2 avril et après le 2 avril, son mandat est terminé. Ça, personne n'en discute. Les faut organiser élection d'ici le 2 avril il faut la mobilisation il faut défendre la démocratie il faut défendre l'état de droit nous sommes ici pour ça nous avons l'expérience on a déjà réussi avec Abla Wad, on va battre Macky Sall inch'Allah. Merci. Mesdames et Messieurs, Sénégalaises et Sénégalais, ce jour fait partie de ceux qui peuvent rendre toute une nation fière, parce que c'est un jour d'espoir et c'est un jour d'espérance qui renaît. Le monde entier nous a observé ces dernières semaines face à cette agression de Macky Sall, agression contre le peuple sénégalais, agression contre notre constitution. Et le monde se demandait comment le peuple sénégalais réagirait. Et nous avons montré au monde que nous sommes capables de réagir. Nous sommes un peuple de refus, un peuple digne et debout. Nous venons de chanter l'hymne national. Les mots que nous avons dits ont rarement eu autant de portée et de signification. Épaule contre épaule. Sénégal est debout. Nous sommes aujourd'hui debout sous le drapeau pour faire face et défendre la République, pour défendre l'état de droit, pour défendre l'éthique. Pour rappeler les propos du cher père Kebambaï, il n'y a rien s'il n'y a pas d'éthique. Il y a l'éthique avant la politique ou avant le politique et avant le technique. Cette éthique a disparu sous la gouvernance de Macky Sall. C'est ce que nous voulons faire renaître. C'est pour cette raison que je voudrais vraiment du fond du cœur remercier et féliciter ces hommes et ces femmes qui ces derniers jours, ces dernières semaines, ont travaillé d'arrache-pied à mettre en place ce front, ce grand front. Ils se sont sacrifiés, ils ont chacun et chacune lâché du lest pour offrir au peuple sénégalais cet espace de résistance. Résistance citoyenne, résistance patriotique, résistance républicaine, pour avoir gain de cause et faire partir Macky Sall dans les meilleurs délais et sous les meilleures conditions possibles. Sous les meilleures conditions parce qu'on ne laissera pas Macky détruire ce pays en partant. Il faut que nous le sachions. L'enjeu, c'est qu'il parte conformément à ce que dit notre Constitution. Il n'aura pas une minute de plus après le 2 avril, mais on ne le laissera pas détruire le pays, faire la politique de la terre brûlée. Le Sénégal restera debout et entier. Oderlin a dit, là où croit le danger, croit également ce qui sauve. Le danger qui croit, c'est Macky et ce qui sauve, c'est le peuple sénégalais et c'est le Conseil constitutionnel. Et je voudrais terminer en disant ceci au Conseil constitutionnel. Vous avez 18 millions de Sénégalais, des bébés aux plus anciens de ce peuple, tous autour de vous, dressant un rempart infranchissable pour vous protéger des manœuvres de Macky Sall et de ses menaces. Tenez debout. N'ayez pas peur, le peuple est avec vous. Vous êtes notre dernier rempart. Dinañ dinañ leen sant dinañ leen jokk doole yéen conseil constitutionnel parce que yéen rek yéen a mën a jël décision bi mën a sauver réew mi parce que askan wi pare na en jotaay bi wane na ko kenn du reculer kenn du dellu ginnaaw kenn du fi may Macky Sall benn minute au-delà du 2 avril te duñu ko bàyyi mu yàq Sénégal pour dem ndax réew mi ëpp na ko dañ ko jox réew mu dëgër mu taxaw mu ñëpp respecté ci àddina bi bu ko naree yàq dinañ ko nangu ci moom te moom la ñuy génnee incha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup. Merci. Euh,